Euh, aujourd'hui, nous sommes venus pour euh, procéder au lancement du concept euh, Mon anniversaire au service de la santé et du resto social. Aujourd'hui, nous sommes venus faire ce lancement ici à l'hôpital de la paix de Ziguinchor, en présence du directeur de l'hôpital, le docteur Moussa Sen. Et vraiment, c'est dans ce cadre qu'on est venu de cette cérémonie-là. Euh, qui est une cérémonie extrêmement importante et au cours de laquelle également nous, allons, nous avons également euh, signé une convention de partenariat euh, dans le cadre des, activités d'une collaboration franche que nous voulons établir entre l'hôpital de la paix et Kertambedou. C'est d'abord le concept Mon anniversaire au service de la santé. Il s'agit d'offrir des repas aux accompagnant des malades, parce que nous savons que souvent beaucoup d'entre eux euh, viennent de, certaines localités assez, assez éloignées. C'est vrai que l'hôpital fait des efforts, mais je pense que la solidarité aussi doit marcher. Et c'est dans ce sens qu'ils ont bien voulu aussi nous accorder euh, euh, ce que nous voulons faire. Ils ont voulu aussi nous donner l'opportunité de participer aux activités de bienfaisance et c'est dans ce cadre donc que euh, nous nous sommes engagés à offrir des repas euh, pour les accompagnants des malades. Mais pour le moment, on s'est limité juste euh, pour les jours de dimanche seulement. En attendant, avec les, nos capacités, nous allons couvrir les autres jours en fonction de, la situation qu'on aura à rencontrer dans l'avenir. Vous savez, nous célébrons tous maintenant des journées d'anniversaire je crois qu'il est bien que euh, le soir, il y a les gâteaux, le soir, il y a les poulets, il y a les accolades. Mais je pense qu'il est bon aussi, euh, au cours de cette journée de son anniversaire, de se rappeler que l'hôpital a fait quelque chose pour vous. Nous sommes nés à l'hôpital. Les premiers soins, c'est à l'hôpital. Et même quand on a des difficultés, parfois, même quand on sort, c'est à l'hôpital. Je pense que c'est une façon de donner, de rendre hommage à nos mamans, euh, se rappeler de ça et faire un geste de bienfaisance. Je pense que ça, nous voulons donner l'opportunité aux gens de faire cette, euh, cette action-là et le soir maintenant, euh, faire les festivités. Et c'est dans ce sens que nous avons estimé que la population et toutes les personnes interviendront dans ce sens. Bon, les résultats attendus, évidemment, bon, je pense que euh, c'est d'abord un bénéfice pour les accompagnants dans le cadre du calvaire qu'ils peuvent vivre. C'est aussi euh, un emploi pour les jeunes qui vont intervenir dans le cadre de la cuisine, dans le cadre de la livraison, dans d'autres activités. Mais aussi, c'est un bénéfice spirituel pour les donateurs. Mais aussi, c'est une image, euh, disons, extrêmement importante pour l'hôpital de la paix qui est aussi un, hôpital qui a de grandes ambitions, qui est dans le cadre d'une révolution technique et, dans le cadre d'une révolution du, personnel, euh, du niveau également de, technique de l'hôpital. Je pense que tout cela euh, sont des bénéfices euh, tout simplement au bénéfice des populations. comme le lancement programme mon anniversaire au service de la santé et du resto social. maanaam luñ ci jublu mooy sa bésu anniversaire euh, lekk ginaar yi ak euh, gâteau yi ak accolade yi si ngoon baax na lool waaye dañu bëgg doomu aadama yi tamit ñu xalaat tamit def benn may leen occasion ñu def benn geste mooy lan ñu boole suñu doole pour que ñu mën a tamit yóbbu lekk jàppale ñoo xamante ni ñoom ñooy gunge malade yi si hôpitaux yi te ñu ci bëree dëkkuñu si dëkk bi. si yeneen village lañ jógee te dañuy xaw a tumuranke yi say donc dina baax aussi ñun aussi ñu dugal ci suñu loxo pour que ñu mën aussi ànd ak ñoom jàppale leen wétali leen dox ci mbokk nemmeeku soppee si activité benn activité boobu xam ne ñu ngi koy def loolu moo tax tey ñu ñëw fii suñu ñëw fii nag tey eh, fekk fii nag docteur Moussa Sène nga xam ne mooy directeur hôpital bi moom tam mu dalal ñu wan ñu lépp loo xamante ne lii hôpital bi da koy liggéey mu nekk loo xam ne lu ñu yéem la lu ñu yéem la lool parce que hôpital ñun dañ ko daan séen rek waaye bu ñu duggee si biir lañ xam ne ndekete lii moom nekk na mbir moo xamante ne man wax dëgg yàlla su ma waxale su ma su ma waxee su ma diggante yàlla rek man impression ma def de yaakaar naa ne sa si réew tugal laa nekk waaye nag vraiment ndekete am na sénégalais yoo xamante ne ñu ngi fii engagé wu pour loo xamante ne lii mooy doxal réew mi si wàllu wér-gu-yaram ñu fekk fi nit bu mel noonu mu jël temps yëpp wan ñu hôpital bi wan ñu li fi nekk te loolu mu nekk loo xamante ne ñëpp war nañ ko xam nag boo ko defee loolu mu nekk euh, loo xamante ne ñun tamit yokk na suñu pas-pas yokk na suñu engagement si li ñu doon bëgg a def loolu mooy loo xam ne loolu lañ fi fekk. loolu ñu la appel lañ nekk di lancer pour ku nekk sa bésu anniversaire nga fàttali ni ki hôpital kat fa nga juddoo sage femme yi ñoo la jëkk a taxaw donc dellool foofu la waaye tamit delloo njukkal suñu yaay yi la si si si bés bu am solo boo xam mooy suñu bésu juddoo. gannaaw euh, loolu nga fexe tamit euh, euh, également nga nga nga def nga def benn geste boo xamante ne ndimbal la pour ñoo xamante ne ñoo nekk si aussi ñooy gunge maladie si hôpitaux bon nag loolu benn wàll am na benn volet boo xamante ne nag ñoo xam ne ndimbal la tamit ñoo xam ne yàlla def na yor nañu moyen du affaire anniversaire taxu leen a jóg mais gis nañ ni lii jëf ju rafet la ñu jël seen alal dugal ko ci ñu dugal ci seen jàppale ñu ñooñu d'abord financement mun na jógee foofu waaye tamit Kër Tambadou si boppam nga xamante ne moo initié moo si boppam am na ay moyen boppam yoo xamante ne ñëpp ñoo xamante ne ñu ngi intervenir si programme boobu moom moo leen di fay parce que dañu bëgg yooyu jëmee ko yooyu jëm kanam bëgguñu ko commencé nii rek Euh, volontairement dem tuuti tuuti rek ay jaxasoo commencé ci am ñun tamit dañu bëgg a loolu képp koo xamante ne yaa ngi ciy yëngu yow tam boo ci am ñun tam ñu def la ko gannaaw nag sa pas donc suñu financement si loolu lañ ko si ñetti points yi lañ ko yaakaare ak loo xamante ne nag yeneen yoo xamante ne nag état bu ci mënee def dara également incha allah ñu jël ko donc ñu ngi woo autorité ñu ngi woo ñëpp ñoo xam ne ay responsable lañ ak doomu dëkk bi doomu réew mi pour que ñu dugal seen loxo si mbir mi